Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. c'est ay TV bravo pour l'investissement et pour la création d'emplois Té lu ci état a def dina len soutenir ci mais quand ta nak nga dem jël de la des impôts ci journalistes yi téé ko parce que tant nga ça yoo ko fait ñu la ba y en a qui ont prélevé comme ça sur les journalistes retenus à la source sur salaire sur des personnes qui ont fait des prestations pour eux, retenues sur 5% versées au tiers, qui l'ont fait sur la TVA. Et la TVA, vous savez Mais c'est pour c'est sur les, la publicité et les annonces. Mais vous donner un exemple simple. J'ai un parent, je gagne. Je veux pour nous faire ma avis de décès.

l'entreprise de Presté, pendant que je suis maa ci jusqu'à ce que affaire bi nekk ay milliards et on me dit nañ ko pas. au nom de quoi et c'est les mêmes qui vont aller dire non pourquoi defaruñ bi mais parce que justement il y a 40 milliards que des gens n'ont pas donné 40 milliards lu mën vous exploitez on vous donne une concession de service public à travers une licence on vous dit fay une redevance Nous ne une redevance te yéen mais pendant ce temps là après c'est un secteur sensible d'accord j'entends mais les cliniques là, moo les plus sensibles. Hmm. on opère des gens parce qu'on n'est pas en mesure de satisfaire toute la demande par des hôpitaux publics ay nit dem investir ci ay cliniques ay nit di di matu hôpitaux yi jëluñu leen en charge de rawale ci clinique sauver leen sauver yaay sauver doom mais les cliniques dañu fay impôt est-ce que pour autant ñom nee non nañ nañuy effacer suñu dette fiscale parce que c'est un domaine sensible ban domaine mo sensible parce qu'on a le micro. ci benen wal nak wax na ni rafetlu na lool prix biñu ñu mam les Camara jëmee ko ci walu gestu manam investigation ndax loolu mom lu mu ànd la ndax ci politique bi muy lal dina tax rek lepp leer ci djub djubal ak jubanti bi mu namu doxal. presse bu né bu commencer di wax lenn moo mën a am ñu wax lu dul dëgg pour yàqal pour jàpp ne ñu ngi may yàqal tooñ ci nit yoon topp leen parce que ci diffamation lay nekk ak diffusion de fausse nouvelle wala ñu wax loo xamante ne dëgg la lu may déranger parce que man maa ko def ma xam ne man maa wàcc yoon ma teg wàcc yoon bu dee samay nit lañu ma teg leen ci yoon sant leen ci bu baax nag c'est pour ça que le prix du journalisme d'investigation bu ngeen ko defee man dinañ dinañ dinañ dinañ on y mettra ce qu'il faut pour encourager ce prix là. jiitu réew mi nag wax na euh, jafe-jafe yi nga xamante ni eggee nañ ko ko dina xool rek ak ministre de la communication naka lañ ci waxtaanee ak euh, jeune reporter yi. éducation sur Cine TV santé sur Cine TV l'actualité sur Cine TV politique sur Cine TV sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.